Je m'appelle Damfal. Je parle en tant que euh, euh, vice-président de l'association dante aide de la classe 1974-3. cette rencontre euh, a été organisée pour commémorer le cinquantenaire du contingent 1974-3. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2024 le 1er août 1974, nous avons été incorporés au camp de Montmargari, appelé, communément appelé Dakar Bangou. Donc depuis lors, depuis cette date, donc ça, on a réalisé 50 ans de, de, de, vivre ensemble. Euh, donc 50, 50 ans de vivre ensemble. Antoine, été incorporé à Bango, le 1er août 1914 nous y avons subi une formation euh, militaire appelée formation commune de base, euh, qui a duré trois mois. Et au cours de la formation, le contingent a eu à intervenir au, foot, euh, précisément à Guédé Chantier, lors des, de d'un déferlement d'inondation. Malheureusement, au cours de cette intervention, un de nos camarades a perdu la vie, euh, la vie en même temps qu'un caporal d'encadrement qui essayait de le sauver. Maintenant, c'est au retour de Guéret que le contingent, bon, certains éléments du contingent ont été directement mutés au sapeur pompiers et dans certains services, mais sinon le gros du contingent a été mis en route sur Kaolak pour un complément de formation commune de base, CFCB. Cette formation a duré également euh, trois mois. Et vers la fin de la formation, le contingent a été engagé dans une opération euh, euh, appelée Bondessa, euh, qui consistait à ratisser tout le long de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. C'est au retour de cette mission que le contingent a été ventilé dans les différentes formations et corps des forces armées. Bon, à propos de ça, bon, nous, on a fait une carrière on est regroupé en association d'entraide et de solidarité. On, a, on fait une cotisation mensuelle de, de 1000 francs par élément. Euh, c'est vrai que dans nos plans, on avait prévu de formaliser et d'organiser un, un, un, GIE, groupement d'intérêt économique. Mais les démarches ne sont pas encore achevées. On est sur la voie et c'est à l'issue c'est après cette formalisation qu'on peut s'attendre à quelque chose de concret par rapport à l'État. Euh, actuellement, je suis vice-président de l'association association euh, amicale euh, entraide et solidarité de la classe 1974-3. le 1er août 2024 nous sommes incorporé au sein des forces armées le 1er août 1974 Bo ci bàyyi xel 50 ans nous avons eu jox occasion commémorer ce cinquantenaire pas suñu cinquantenaire d'existence mais

Fouta ci guerre chantier intervention parce que dafa amoon inondation bañ demee intervention bi amna suñu ci encadrement bi ak suñu ben classe bi nga xam dess des na fa bañ jógee foofu nag ci ñuy jël yobuñu kaw nak ñu pour ñu compléter suñu formation légui nit ci buñ kaw nak ci lañu ventiler ñu tas ci kooru armée armée ñi dem marine ñi dem gendarmerie ñi dem armée de l'air ñi dem bat kodo ñi dem groupement bat euh, blindé ci corps ak service yëpp di arm arm daal ñu ñu ci la ñu tas bon association nag bi ñu ko taxawalee dañu taxawal ay cotisation nga xam boobu ba léegi ñu ngi ci doon nag ñu ci nekk di dem ak suñu euh, autonomie bopp amuñ mu suñu am benn dimbal mais ci biir loolu dañu daan daje souvent di def ay AG assemblée général bi nga xam ne ñoo koy financer suñu bopp lol sax moom mo daan grévé suñu budget suñu cotisation loolu mo daan tax muy rës dal mais téwul ñu japp di continuer di maintenir cotisation yi ba léegi euh, jot nañ fi créer euh du bëgg formaliser association bi pour que ñu mëna am répondant au niveau de l' administration euh, euh GIE bi euh, ba légui des na quoi soo teegul dal mais ñi ngi ci dañu jema a def les formalités yi pour que ñu am récépissé ñu am récépissé mais ci biir loolu ci cotisation yi mosoon nañ ci jéem autofinancer kenn pour mu def activité euh, commerciale ci produit de mer yi mais loolu tam sottiwul woon antuwul woon daal antuwul woon parce que nit ki benn demee ba mu demee dafa dafa échec mais teewul ba léegi daal ci ci fànn boobu la ñu la ñu nekk ci loolu la ñu taxaw am nañu dara suñu kees ba léegi mais daan prochaine assemblée générale ci ñuy jéem a déterminer ay objectif yi ñu mën a dem quoi mais formalise ñu ngi fa jéem daañu formalise daal suñu association ñu ngi ñu ngi ci kii yi quoi di pour formaliser que ñu ngi ci ay démarche pour mën a am les récépissés nécessaires daal. ñun ñun euh, bi ñu tasee xam nga fii ñu fi nekk bare na am na ñoo xam ne nii police la ñu nekkoon am ñu nekkoon gendarmerie am ñu nekkoon sapeur waaw am ñu nekkoon armée man am laa nekkoon. ñi def carrière yëpp am nañu seen pension ñi ngi sant yàlla macha allah quoi pension nag moom kenn du wax doy na daal kenn du mos wax doy na quoi léegi nag ci biir loolu loolu euh, bu loolu xam ñuy wax affaire GIE boobu bu amee ba mu am xam nga loolu mooy li nga xam ni euh, am na moo formel bi nga xam ne mën nañu yaakaar euh, ndimbalu administration quoi mais il faut ñu am GIE ba il faut ñu dem ba formaliser loolu ba pare daal te loolu mboo ci la ñu nekk ñu ngi ci démarche yi daal. waa ñu ngi ci démarche yi bu yaakaar nañu bu bu amee bu demee ba ba loolu sotti daañu gën a mën a euh, jàmmaarloo ko administration pour mën a xool la fan la mën a nag la mën a jàppale ko al al yu nag dañ ci sant yàlla quoi parce que ba léegi ñun ñu ngi dem di dikk daal am na ñoo xam ni ñëwuñu parce que mënuñ am nañ problème mobilité la ñu am waaw am na ñu xam ni waa ay am nañu ay handicap moteur am nañu wàññikule quoi xam nga métier armé métier risque la daal waaw yàlla moo ci sutural nag nga def carrière nga def ay trente et quelques années de carrière ba jénn ci noonu daal da ngay sant yàlla rek quoi mais comme ñun ñu ngi dem am mobilité di dem di dikk ñu ci sant yàlla bu baax daal. waaw xam nga administration dafa am nu muy demee parce que état boo ko xoolee boo amee kaawu affection yenn yi dafa am procédure daal da ngay dem euh, bi nga xam ne day euh, ci da am certificat médical ah, après nga dem.

cette mention normale bon homme de tenue yi FNR lañ nekk mention FNR la am boo am na ñi nga xam nag jot ñu def carrière ci fonction publique ñooñu ay bu dee dans le privé seen seen IPRES la ñu am daal am na ñoo xam ne jotuñu ci am benn ci yooyu yëpp daal dañ daan tax seen kiiwu bopp lañu nekkoon daal ñu ngi ci ñun ci biir quoi mais ñu ngi fi di participer comme ñeneen ni daal mais daal ci suñu biir am na solidarité moom ku ci am tiis dañ lay jàppale defal la jël suñu kees jox la ko

chacun résiste, ne pleurez pas, donnez vos bras, puis chantez toujours, la nuit comme le jour, la foi de vos amours, le bataillon s'en va, la foi de vos amours, le bataillon s'en va. que nous marchons, prenons ah. courage, prenons courage arrivons, nous arrivons à la vertu que nous aimons, à la vertu que nous aimons. Voyez ces jolis brigands qui volent, voyez facile. Le que nous marchons, facile. Le que nous mangeons, prenons courage, prenons courage. Nous arrivons, la route de l'inconnu, la route de l'inconnu, pour nous c'est bienvenu, pour nous c'est le devoir, de belle fille, nous ne vraiment de pour de la famille. Guru Tanarong to Guru Tanarong Pare